sommes vendredi 2 août 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre les programmes de Studio Kalongo et bienvenue dans le nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Kalongo, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Les sujets qui ont marqué la semaine et qui ont attiré notre attention s'articulent autour de la question de la mission nigérienne de haut niveau qui était les 24 et 25 juillet à Cotonou nous au Bénin pour discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Ensuite, le Retro Festival à la organise le ministère de la Culture du 26 juin au 3 août à l'occasion de l'an 1 au pouvoir du CNSP. Il sera aussi question de l'interdiction par arrêté du gouverneur de la région de Niamey du commerce et de l'usage de la chicha sur toute l'étendue de la région de Niamey. Enfin, les Jeux olympiques qui se tiennent depuis le 26 juin à Paris, 8 à l'état nigérien participe aux compétitions. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Memouna Diadou, et les journalistes indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Arimiaba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Une délégation nigérienne de haut niveau était à Cotonou, la capitale béninoise, les 24 et 25 juillet dernier. Objectif à discuter de plusieurs sujets d'intérêt communs entre les deux pays. Elle est conduite par le ministère, par le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Tomba. Cette visite a fait suite à la demande des deux anciens présidents béninois Yahi, Yahi Boni et Nicéphore Soglo et avec euh, l'autorité du président de la République du Bénin. Rappelons que fin juin, ils ont rencontré le général Chani ici à Niamey. Bien qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y ait aucune conclusion officielle de cette rencontre, euh, je commence avec vous, Senissa. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce déplacement de cette délégation nigérienne au Bénin Ce qui a motivé, on le sait, c'est par rapport à la fermeture, le maintien de la fermeture de la frontière, mm. comme vous l'avez dit tantôt. Et c'est une source de préoccupation aussi bien pour les, comme avait dit les autorités béninoises, que pour les populations, je veux dire les populations du Niger, mm. parce que quand même c'est le couloir par excellence où le Niger a de tout temps fait ses importations. Et on sait dans quelles circonstances la, la, la, la, frontière a été fermée. Je parle de la frontière terrestre. Et on a vu le, deux anciens présidents béninois venir ici plaider pour la réouverture de la frontière. En juin, oui. Oui. Et c'est suite à cela, maintenant, on peut considérer déjà qu'il y a le dialogue est Il n'y avait pas du tout de dialogue auparavant avec cette mission qui s'est déplacée euh, il y a de cela quelques jours à Cotonou on pense que peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, la situation va se décanter. Cette euh, délégation est allée au, Bénin sur autorisation même du président de la République du Bénin. Oui, bien évidemment, sur autorisation, parce que vous savez, quand les deux présidents, les deux anciens présidents sont arrivés, ils ont exprimé leur vive inquiétude par rapport au maintien, à la persistance de la crise. Et ils ont rencontré, bien évidemment, le, président du CNSP, avec qui ils ont échangé. Et puis bon, ça a amorcé déjà une espèce de détente. Et c'est ça qui a fait que, bon, il fallait au moins nouer le dialogue. Aujourd'hui, on considère qu'à partir du moment où le dialogue est noué, hmm. on va peut-être trouver une issue heureuse et la reprise de, comment ça s'appelle, de la coopération. Hmm. Hmm. Le dialogue qui est noué, donc, euh, et rappelons que les relations vraiment euh, entre les deux pays étaient détériorées depuis, les sanctions de la CDAO avec les frontières qui restent euh, toujours fermées, couronnées par l'arrestation des représentants du Niger dans le cadre du contrôle du chargement du pétrole brut nigérien au port de Sémé. Alors, Memouna, selon Ousseini, le dialogue est noué aujourd'hui. Que peut-on attendre de cette mission donc, euh, comme l'a dit Husseini, en fait, je suis parfaitement d'accord sur ce qu'il vient de dire à l'instant par rapport à la situation entre le Niger et le Bénin. Euh, les relations donc euh, sont déjà nouées pour une meilleure décantation de la situation et ce que nous pouvons atteindre en tout cas en tant que ici citoyenne et, en tant que également les peuples du Bénin, c'est la réouverture euh, très rapidement de, de, cette frontière-là, puisque euh, on ne peut plus continuer à fermer les yeux et à se faire du mal ou bien du tort pour rien du tout. Mm. Nous sommes deux peuples frères et amis. Donc je pense que les intérêts d'abord des populations doivent être au centre d'abord des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement. Et je pense que c'est à l'issue de ça même que euh, cette délégation a été dépêchée là-bas hmm. par le chef de l'État Chani. Parce que je pense que s'il n'y avait pas peut-être ce rapprochement des deux anciens chefs, euh, des deux anciens présidents du Bénin qui ont fait le déplacement et qui sont venus ici et qui ne s'attendaient pas à être hmm. accueillis dans les conditions où ils ont été accueillis. Hmm, et ont été entendus par le, président, donc le chef de l'État, moi je me dis que c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte, que euh, ce que certaines personnes ne voulaient pas de cette réouverture de la frontière, mais je me dis qu'il faut s'attendre dans les tout prochains jours à un dénouement heureux de cette situation Justement, euh, aujourd'hui, presque une semaine euh, où cette délégation s'est rendue euh, au Bénin, mais jusque-là, aucune communication. Qu'est-ce que cela pourrait sous-entendre Cela pourrait sous-entendre que les, les, négociations sont en cours et ne sont pas encore finalisées. Hmm. Parce qu'il faut avoir d'abord de quoi dire à cette population, à ces deux populations, qui, attendent véritablement, impatiemment, que ça soit euh, annoncé la réouverture d'une frontière hmm, hmm, entre les deux pays. Donc je, me dis que si jusqu'à présent, c'est le statu quo, il euh, n'y a pas de communication autour de, officielle autour euh, de, cette rencontre de cette délégation et euh, pour le Bénin. Je me dis que peut-être qu'ils attendent d'abord de finaliser entre les deux, de se comprendre davantage, de prendre des mesures qui ne vont pas, en tout cas, ni égratigner le peuple nigérien, ni égratigner de l'autre côté le Bénin. D'accord. Certainement. Merci, merci Alors, de votre côté, Arimi, quel est votre mot sur cette euh, mission qui s'est rendue les 24 et 26 juillet euh, au Bénin sous l'autorisation du président béninois Bon, écoutez, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, c'est la frontière du côté nigérien qui est fermée. Hmm. Euh, les, Béninois ont ouvert leur euh, frontière depuis longtemps. Mais le Niger a maintenu sa frontière fermée hmm. pour des raisons que les autorités ont évoquées, des questions sécuritaires certainement. Euh, maintenant, s'il y a une délégation qui quitte Niamey pour euh, Cotonou afin de discuter de la rouverture, je dirais que peut-être que les autorités nigériennes ont besoin euh, d'être assurées et de rassurer. parce que sinon, bon, c'est nous qui avons fermé la frontière, eux ils ont ouvert pendant que qu'eux l'ouvraient. Bon, nous aussi on ouvre et puis c'est réglé. Mm-hmm. malheureusement, euh, rien n'a filtré pratiquement sur ce que les autorités là, nigériennes et béninoises se sont dit. Et on ne peut que spéculer, chercher à comprendre. Euh, parce que de l'autre côté, il y en a qui continuent à tirer sur la sonnette d'alarme qu'il y a bel et bien euh, les, forces étrangères dans le nord Bénin, même si moi je trouve que ce n'est pas une raison suffisante mm-hmm. pour garder notre frontière euh, fermée. Euh, fermée. Oui, doit-on espérer. Si on n'est pas en bon terme avec mm-hmm. les autorités euh, des puissances extérieures qui semblent être au Bénin. Bon, le Bénin aussi est libre, il faut reconnaître, d'accueillir qui mm-hmm. il veut sur son territoire. Et donc, Hussein l'a dit, le port de Cotonou, c'est notre port euh, naturel, n'est-ce pas Et historique, n'est-ce pas, de tout temps, euh, surtout même pendant la période euh, coloniale et après. Ça a constitué vraiment le premier corridor qui nous mène mm-hmm. à la mer. Et donc, ça ne peut pas ne pas s'ouvrir. ça va s'ouvrir tôt ou tard. Mhm. Vous venez d'évoquer même la question plus, historique. Mieux, oui. c'est, mhm. plus mhm. c'est tôt, mieux c'est pour nous Nigériens, parce que c'est la situation des Nigériens qui en pâtissent vraiment, qui doit nous préoccuper. Même si c'est un seul Nigérien qui en souffre, par rapport à ce qu'on gagne en gardant la, le port, la frontière fermée, on doit faire le pour et le contre. Or, c'est toute une zone il ne faut pas se le cacher, la région de d'Osso, n'est-ce pas, particulièrement souffre. Sans compter que nous tous, d'ailleurs, aujourd'hui, le renchérissement euh, du coût de la vie, mm-hmm. la fermeture de cette frontière a quelque chose à voir avec. Il ne mm-hmm. faut pas qu'on se le cache. Donc, on a, il est urgent ou bien il y a nécessité que les relations se normalisent rapidement. Oui. Dieu merci, euh, il pleut bien n'est-ce pas C'est une région où l'agriculture euh, marche relativement bien dans notre pays, mais même pour écouler euh, ces produits-là, généralement, ils ont besoin de cette frontière-là aussi. Mhm. Euh, donc, vraiment, c'est nécessaire, c'est vital pour nous, la frontière avec le Bénin. Il mm, le Alors, Ousseini, pour clôturer ce sujet aujourd'hui, quelle est votre attente de cette mission oh, L'attente, bon, j'ai suivi un peu le général, comment comment s'appelle qui a rencontré la diaspora nigérienne et qui a expliqué un mhm. certain nombre de choses. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils se sont entendus. Les autorités béninoises sont prêtes à consentir beaucoup de choses. Et de côté du Niger, ce que Tomba a expliqué, c'est que quand les convois vont commencer, ils craignent qu'il y ait des attaques, euh, comment mhm. des, des, convois, des convois de marchandises. Mhm. Bon, l'espoir de tous les Nigériens, moi je vais dire, c'est oui, non, mm. mais ça, ça a été, comme avait dit, il y a une vidéo qui a circulé, mm-hmm, mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. C'est face à, la diaspora, comment dirais-je, nigérienne au, au Bénin. Et bon, il, a dit les arguments et il, a donné l'assurance que ça va intervenir, mais pas de sitôt. Mm. Bon, le plus tôt serait le mieux, quoi, parce que aujourd'hui les gens souffrent, quoi qu'on dise du fait de cette fermeture prolongée de la frontière. Parce qu'il faut contourner par Lomé, aller à Lomé, contourner, venu par le Burkina. On sait, on a vu un peu aussi, il y a beaucoup de risques aussi sur l'axe-là. Alors, je pense que ça ne va pas tarder dans les semaines, les mois et les semaines à venir, peut-être que ils vont trouver le terrain d'attente. On l'espère, on l'espère. Nous allons donc euh, observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, depuis le 26 juillet 2024 a débuté la semaine culturelle Al-Ada placée sous le thème Sankasa Labou Baksinei. Elle est organisée à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la session du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir le 26 juillet et du 104 e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août. Selon les organisateurs, son objectif est de renforcer la souveraineté culturelle du pays en reconnectant les producteurs culturels, les productions culturelles à leurs racines. Ibrahim Soleiman, directeur général de l'INAC, l'Institut national des arts et de la culture, explique les raisons et les résultats attendus de cet événement. On l'écoute. Depuis que le festival euh, de la jeunesse a été arrêté, on a assisté vraiment à une sorte de désordre dans le euh, cadre de la production, surtout musicale. Chacun fait ce qu'il veut, chacun copie et les copies aussi, qui ont copié c'est le plus souvent en tout cas euh, le monde occidental. Et jusqu'à ce que à un certain moment, les Nigériens, en tout cas, ont perdu même le goût de la musique nigérienne. Avec le land du patriotisme, de retour à la source, donc les autorités ont compris que nous ne pouvons nous développer culturellement que si nous nous basons sur ce que nous pensons de notre culture. Alors, il a été décidé en commission de faire des rétro-festivals, donc de demander aux régions de revenir avec des chants et des ballets qui sont jusqu'aujourd'hui d'actualité. Peut-être on retournera au niveau du Festival national de la jeunesse. C'était là donc euh, Ibrahim Suleiman, le directeur général de l'Institut national des arts et de la culture, euh, qui expliquait donc euh, les résultats et attendus de cet événement, le Retro Festival. Mais Mouna Diado, quelle est votre appréciation de, cette, de ce Retro Festival à Al-Ada Un retour à la source, selon oui, J'ai apprécié, puisque euh, c'est un retour à la source, c'est vraiment faire euh, revivre au Nigériens, euh, surtout avec les événements qui, la situation quoi, qui mm. donc il faut essayer d'amener les Nigériens à comprendre, à aimer sa propre culture et surtout qu'ils ont fait revivre hein, des épopées, des, des, mhm. des, des choses extraordinaires qui se sont passées, des histoires les anciennes euh, musiques, traditionnelles, qui, ont, été, ont été reprises par ces jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment encouragé et qu'on ne devrait même pas attendre donc cette situation pour pouvoir euh, attendre des années et des années pour pouvoir le faire. Mhm. Moi, je me dis que euh, retour à la source devrait se faire à tout moment, quoi. Donc, c'est des festivals que, un festival qu'on devrait mûrir davantage mm. et essayer de recadrer ça surtout et essayer de donner la chance à, ces Nigériens artistes euh, de, se faire connaître et de connaître euh, davantage hein, l'histoire du Niger. Parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ne connaissent pas forcément l'histoire du mm-hmm. Niger, hein, mm-hmm. surtout les mm-hmm. jeunes ne connaissent pas tellement euh, quelle région, euh, l'histoire d'une région à une autre. Mhm. Donc c'est vraiment... C'est bien euh, pensé donc par les autorités actuelles. C'est bien pensé et ça devrait être mûri davantage hein, pour agrémenter le tout avec d'autres spectacles, pourquoi mhm. pas, et, raconter de temps à autre les histoires, c'est très important. Oui les compétitions, les compétitions, même entrant dans le cadre de ce rétro-festival, ont débuté depuis. Euh, est-ce que vous avez déjà euh, eu à suivre quelques-unes Oui, j'ai. Comment vous appréciez J'ai eu à suivre euh, quelques-unes, bon, qui m'ont un peu épatée, mhm, surtout mhm. comme je le disais à l'instant, surtout par rapport à la création artistique. Justement, oui. Et comment est-ce que la tenue vestimentaire. de ces artistes-là l'histoire qui reflète euh, l'image de chaque artiste, son habillement et tout, mm. et les l'épopée et tout, les de de de, de, euh, de l'autre là. Euh, un artiste Oui, non, pas l'artiste, mais l'histoire de Saronia Mongou, euh, oui, jusqu'aux autres. Donc je pense que c'est vraiment révélateur. Et surtout, il y a l'implication aujourd'hui euh, aussi de la jeunesse. Euh, oui, c'est surtout ça. ça c'est pour permettre surtout à cette jeunesse-là, mhm. comme je l'ai dit, de connaître hein, l'histoire de son pays. Mhm. et d'être à mesure d'être aujourd'hui les ambassadeurs dans n'importe quel pays mhm. et raconter véritablement la vraie histoire du Niger. Donc vraiment, j'ai apprécié et je fonde l'idée que euh, l'espoir également que euh, ça soit perpétué, euh, qu'on essaie de voir hein, que la culture, il faut donner aussi la possibilité dans d'autres régions, pourquoi pas que ça soit quelque chose tournant où les jeunes des autres régions aussi pourraient euh, avec le brassage des autres régions du Niger, se rencontrer pour pouvoir euh, explorer davantage donc ces euh, bénéfices. Alors c'est une initiative à perpétuer. Alors on sait que du 26 juillet au 3 août 2024, ce sont des artistes venus de toutes les régions du pays qui vont présenter au public leur œuvre. Une occasion donc de reconnecter les productions culturelles à leurs racines. vous, Armi, selon vous, comment doit-on maintenir ce talent pour que ce genre d'événement qui fait la promotion de la culture ne puisse plus disparaître euh, Écoutez, comme disent euh, euh, les Hausa, Moussi, Yahi, e e Voilà. <laughs> Et donc là, on a improvisé quelque chose apparemment. Mm-hmm. En tout cas, jusqu'à l'approche de ces festivités-là, on n'en a pas entendu parler. Oui, on sait que les régions étaient, voilà, les régions ah étaient quand même en activité pour essayer euh, de reproduire euh, les anciennes œuvres euh, des festivals de la jeunesse. Hmm. moi, je suis régulièrement ce qui se passe au Palais de Congrès, en tout cas après le journal de la télévision nationale. C'est diffusé. voilà. Et, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut respecter l'air du temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du développement des industries euh, culturelles. Euh, ça n'a pas bénéficié de la couverture médiatique de la communication qu'il faut, mais euh, des privés ont mis en place beaucoup de festivals, hmm. dont certains sont à leur énième organisation. ce n'est pas rien. je crois que la culture euh, pour nous-mêmes, pour notre propre culture, euh, souffre euh, d'un manque de visibilité qu'il faut travailler. il ne sert à rien de dire que bon, c'est revenir à notre culture que de revisiter les œuvres du festival, des festivals Donc, si on doit vous comprendre, Armi, il faut beaucoup plus se pencher vers l'industrialisation. Bien sûr, sûr. c'est nécessaire parce que le contexte a changé. à l'époque, c'était les Samarias qui produisaient, n'est-ce pas euh, C'était de bonne volonté, c'était des bénévoles, mhm, mhm. n'est-ce pas On fait ça et puis chacun retourne à ses euh, activités. Mhm. L'État met énormément de moyens, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, euh, vu l'évolution de notre population, de notre société et tout, il y a des gens dont c'est le métier de tous les jours. Hmm. N'est-ce pas On ne peut pas continuer à produire euh, au hasard, vraiment, sans qu'il y ait de retour chez les culturels eux-mêmes. Donc, vraiment, euh, je pense que ça mérite un peu plus que juste revenir chanter des chansons qui ont été primées hmm. dans les festivals passés. Hmm. Il faut vraiment euh, organiser, pourquoi pas, euh, euh, un colloque, n'est-ce pas, sur vraiment la revalorisation de la, culture au Niger ou quelque chose comme ça. Mais aussi le gouvernement, il faut que le gouvernement dise que ce ne sont pas des choses qui se font à zéro franc. Mm, mm. là, là, il y a une somme débloquée. Voilà, pour cela. et un budget permanent et un mode vraiment de dépense de ce match. Mm-hmm. Donc c'est vraiment beaucoup de réflexion qu'il faut mm-hmm. autour mm-hmm. et vraiment oui c'est bon mais vraiment ce n'est pas euh, ce n'est presque rien à ce qu'il faut à notre euh, <laughs> culture pour euh, être connu de nous-mêmes, mhm. de nos enfants, mais aussi de sortir de nos frontières. D'accord. Alors, euh, Arimi, merci bien. Ousseini, selon Arimi, c'est bien beau d'organiser ou bien euh, de nous faire revivre ces anciennes productions culturelles, mais il faut beaucoup plus tendre vers l'industrialisation de la culture au Niger. Qu'en pensez-vous Quel est votre avis Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Arimi. C'est une industrie hein, aujourd'hui un peu partout dans le monde n'est-ce pas C'est bien de faire revivre les anciens ballets, les mm-hmm. anciennes chansons qui ont primé. Bon, je me dis quelque part, c'est que ça s'est fait un peu dans la précipitation. Mm. Parce que c'est. oui. Voilà, je crois que les artistes ils sont allés sur le terrain pour voir. C'est quelque chose à maintenir, à consolider, mais également créer les conditions pour que les artistes-là puissent vivre de leur art, n'est-ce pas mm-hmm c'est un premier pas. Le plus souvent, on commence quelque chose et au bout de quelque temps, on l'abandonne. Vous voyez, le Festival national de la jeunesse, c'était un cas de brassage qui, réunissait, toutes les régions. Et ce n'est pas seulement en chanson, en ballet, théâtre et autres, mais il y a même des activités sportives, mhm, mhm. n'est-ce pas, qui sont organisées à cette, occasion-là. Mhm, Moi, je pense que c'est un début faut, mais il faut créer les conditions pour que ce soit vraiment des productions de qualité. Éviter, comment vais-je dire, euh, je sais pas moi, j'ai entendu des chansons ou c'est faire, comment dire, euh, chanter des, un système et tout et tout. Mm. Ça doit faire quelque chose de culturel, quelque chose de profond, mm. n'est-ce pas Je crois qu'en marge même de ces, de ces productions anciennes, euh, il y a mm. aujourd'hui, ils ont intégré l'islam, des nouvelles... Euh, oui, bien évidemment, bien évidemment. J'ai dit, il faut, c'est la création, on parle de création. la création doit apporter quelque chose de nouveau, n'est-ce pas On ne doit pas se contenter de restasser et, considérer qu'on peut avancer avec. Il mm. faut créer les conditions pour que véritablement ça puisse durer, ça perdure dans le temps, mais créer les conditions pour que les artistes soient, comment dire, valorisés. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Peut-être avec cette, euh, ce rétro-festival, mm. c'est un premier pas. Oui, bien évidemment. Mm-hmm. On, espère que ça va continuer. Il y a eu des festivals qui ont été des tentatives, mais au bout d'un certain temps, il y a l'essoufflement, mm-hmm. n'est-ce pas il y en a qui ont tenté de créer des festivals, ou en tout cas, qui n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire. Mhm, quoi. Mhm, il, mhm. faut, il faut créer les conditions pour que cette fois-ci, ça soit, comment dirais-je, euh, vraiment de manière euh, durable mhm. que ce, genre de rencontre se tienne. D'accord. Et en plus des animations périphériques, des combats de lutte, des mm. matchs de football et des excursions touristiques euh, vont agrémenter euh, la semaine culturelle selon les organisateurs. Et la cérémonie a été enregistrée, la présence notamment des délégations des pays de l'Alliance des États du Sahel. Mais comment la population aujourd'hui doit s'impliquer pour que tout se fait dans le maintien de la cohésion mm. sociale dans le contexte actuel où nous sommes Dans le contexte actuel, déjà avec euh, les initiatives euh, culturelles, c'est déjà, c'est déjà bon, c'est un début. Et puisque aujourd'hui, avec euh, la l'AES, les peuples, c'est le brassage donc des peuples. Hein. autant, autant le Mali et le Burkina Faso participent en tout cas donc euh, aux côtés du peuple nigérien, dans la semaine culturelle, autant quand il y a des activités euh, au, ben, euh, au Burkina Faso et au Mali, il, y a des délégations nigériennes, qui participent. Mhm. Donc déjà c'est un atout. les échanges, déjà on a presque les mêmes cultures, donc c'est déjà bon et on doit maintenir euh, dans tout ce que nous faisons, que ça soit culturel, que ça soit euh, vraiment euh, au-delà de la culture, que le brassage entre les trois pays, en tout cas de l'AES, soit renforcé. Oui, et vos deux prédécesseurs soutiennent qu'il faut vraiment une industrialisation de la culture ici au Niger. Ah, parce que la culture, ça fait vivre le pays, ça fait en fait vivre tout un peuple. Et donc, il faut imaginer, il faut, non pas imaginer, mais il faut créer, comme ils l'ont dit. Il faut mhm. créer, il faut aller vers la créativité. Mhm. Il faut amener quelque chose de nouveau dans ce que nous sommes en train de faire tout le temps. Mhm. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement peut-être à ce qui a été fait durant des années, mais il faut pouvoir améliorer même ce que vous avez, essayer d'améliorer ça hmm. avant d'aller vers la créativité. Et quand c'est nécessaire de créer, il faut également créer. Parce que quand on regarde, hein, même dans nos différents médias, on ne ressent pas, Il a une revalorisation. la revalorisation, on ne ressent pas les artistes nigériens mm-hmm. dedans. Mm-hmm. On, passe tout notre temps à mettre les chansons culturelles ou mm-hmm. les histoires culturelles euh, des autres pays que euh, ici euh, que le Niger, quoi, en fait. Ils ont besoin d'être soutenus. Soutenus, et parce que ce sont des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs, ils représentent les pays, le Niger. Mm. Euh, en sortant du Niger, c'est vraiment le Niger qu'on voit. oui, surtout qu'ils ont marqué leur passage dans les temps à travers les différents festivals comme le mm. prix d'Angourmou, voilà. Donc, donc vraiment, euh, ceux qui vivent, la diaspora qui vivent dans ces pays-là, euh, doivent également à leur niveau soutenir mm, mm, la culture mm, nigérienne. Soutenir, oui, les soutenir. Parce que ce qui, qui est un frein aujourd'hui, c'est vraiment euh, les finances. C'est vraiment, euh, ils ont besoin, ils ont des créativités. Mais quand ils n'ont pas les moyens de mettre ces créativités sur la table, donc, ces créativités seront toujours, euh, en tout cas, dans les tiroirs. Donc, il faut les hein. épauler. Oui, oui. Il faut les aider. En un mot, la culture, euh, le sport, euh, ça ne peut pas se passer du soutien de l'État. C'est l'État qui doit impulser, mhm. n'est-ce pas, un bon départ de... au Mali. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme musique aujourd'hui, c'est l'œuvre de Modibo Keita. Mhm qui, depuis le début des années 60, a envoyé des dizaines de Maliens pour se former. Hmm. S'il y, a un rescapé, c'est Bonkana ah. Maïga aujourd'hui encore qui fait la fierté de toute la sous-région. Euh, au, en Guinée, c'est Modibo, euh, c'est Couturé euh, notamment avec les Bembea Jazz. Hmm. Ils avaient la, la, la, des, des, trucs de manifestations culturelles connu du monde entier. Hmm. Et ils ont mis énormément de moyens et ça se maintient, ça survit. Et ils sont partis depuis longtemps, mais c'est le cas. Mais pourquoi Donc, pas au chez Niger, nous, oui. aussi, ça doit être la même hmm. chose. Et on doit se départir de, malheureusement, il faut cracher le mot, de culture de personnalité ou de système. Hmm, N'est-ce pas Et comme ça seulement, ça peut vraiment euh, émerger. Euh, malheureusement, la culture et le sport les sponsors ne les accompagnent que quand c'est du succès déjà. Et on n'est pas encore en situation de succès, donc c'est à l'État vraiment de vouloir. C'est comme l'école, mhm. c'est-à-dire tu investis et c'est à la longue seulement que tu as les fruits sur tous les plans. D'accord. On espère donc que ça soit un nouveau départ pour toutes euh, ces, anciennes gloires qui ont marqué euh, la culture euh, dans les temps passés. Nous entamons le prochain sujet de ce forum de la presse. Dans un arrêté euh, du 24 juillet dernier, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdouharouna, interdit le commerce et l'usage de la chicha sur toute l'étendue de la région de Niamey. Les produits saisis seront incinérés et toute infraction sera punie par les textes en vigueur. Cette mesure qui prend effet dès sa signature vise donc à protéger la santé physique et mentale des habitants contre les effets nocifs de la chicha selon l'arrêté. Sénissa. euh, que pensez-vous de cette décision Je pense que vous venez de parler de santé des jeunes, n'est-ce pas mm. Quand on voit comment le, produit est consommé, en tout cas, ça se mm. généralise. Ça prend de l'ampleur. Il y, hein. y, a même des endroits où les gens viennent payer de l'argent et comment ça s'appelle euh, ouais, Profumé, n'est-ce pas Il y a des espaces donc euh, des espaces même pour cela. Oui, des espaces payants. Payants où les gens Alors, les chicha oui, comme on les appelle. il fallait mettre fin à ça. Moi, j'ai dit ça a même trop traîné. <laughs> Mhm. On ne doit pas limiter ça seulement à Niamey. Il faut créer les conditions pour que ça soit appliqué aussi dans les autres régions du mhm, pays parce mhm. que le phénomène ne se vit pas seulement à Niamey les autres régions aussi sont concernées. Ça doit être, euh, comment déjà, une mesure qui, englobe pratiquement les huit régions pour éviter justement que, bon, <laughs> des, jeunes euh, se, délocalisent. Mm-hmm pour aller continuer à s'adonner à ça. D'aucuns disent que euh, la chicha, même en tant que c'est l'utilisation qu'en font les jeunes aujourd'hui qui, qui, mettent, je sais pas, qui ajoutent d'autres oh, substances. Oui, bien évidemment, cette, euh, mais bien évidemment, c'est ça. Mhm. Mais en soi-même, c'est dangereux. Mhm. c'est dangereux. Mhm. Maintenant, il y a d'autres substances, bien évidemment, qu'ils mettent dans, le machin, dans la composition et ça, ça contribue davantage à, exposer les, les jeunes, la santé des jeunes. Mhm. Moi, je pense que c'est une mesure euh, salutaire, mais qui doit être élargie aux, oh aux sept autres régions du pays. Mhm. Alors, euh, au vu donc euh, de l'ampleur que prend cette consommation de cette chicha, cette mesure vient à point nommé à Oui, ça, vient à, point nommé. au niveau de l'alternative, moi, je gère un projet sur la santé mentale n'est-ce pas, euh, le développement du programme national de santé mentale. Et ça m'a permis euh, de discuter avec beaucoup de jeunes euh, à Niamey, à Maradi, à Tawa. Il ressort clairement que la consommation de chicha est pour quelqu'un, pour quelque chose dans l'explosion de la consommation de drogue. Mm, mm. particulièrement la jeune féminine, D'abord, la chicha, on, fait passer ça pour quelque chose de classe, mm. de chic, n'est-ce pas Et euh, y compris les filles consomment, en mm. consomment. Mm, et malheureusement, comme Ouseni a dit, il n'y a pas que le tabac. Il y a aussi d'autres substances, psychotropes qui sont euh, mises là-dedans, mises là-dedans et qui sont consommées par les, jeunes. Euh, je crois qu'il y a lieu, et souvent, c'est de la drogue dure, tout simplement. Et vous le savez, la drogue dure, il suffit d'en consommer une seule fois, on devient addict. Mm, mm, mm. Ce qui n'est pas le cas des, drogues qui sont autorisées plus ou moins. Et, malheureusement, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus concernée, une jeunesse qui, est l'avenir de demain. Vous ne pouvez même pas savoir, c'est-à-dire même Niamey, n'est-ce pas, est en retard par rapport à certaines régions de notre pays. Et donc, vraiment, cette décision-là vient à point nommé parce que euh, l'éducation, c'est aussi le bâton et la mm-hmm. carotte. Mm-hmm. Oui, il faut sensibiliser, il faut encourager les jeunes à ne pas se droguer, mm-hmm. mais il faut aussi prendre des dispositions, empêcher la vente de ces produits-là, leur, leur, achat aussi, il faut en empêcher, et aussi détruire les cadres qui permettent aux gens de se cacher et de les consommer. C'est vraiment euh, une, euh, un fléau qui est en train de s'emparer de notre population. Mhm. Et je pense que c'est très bien vu par les autorités. D'accord. Alors, Memouna, malheureusement aussi, euh, les filles, ça donne à la consommation de cette substance qui est la chicha. Euh, c'est inquiétant. <laughs> très inquiétant. Et je suis vraiment d'accord avec Armie Ousseini. S'il faut limiter la dépravation des mœurs, euh, par la mesure là, moi je pense que euh, euh, c'est c'est très bien. parce que au-delà des jeunes garçons, ce sont les filles aujourd'hui qui s'adonnent à ça. Mm. Quand tu vois une fille dans la rue, dans un club, chicha club ou quoi là, mm-hmm. une fille hein, sans aucun, aucune honte, en train de fumer sans gêne. Mm. Ça veut dire que là, tu dois avoir peur. Si une fille se met à, fumer dans la rue comme ça, mm. mais <laughs> le, garçon, donc, ça veut dire quoi Mais comment nos autorités aujourd'hui doivent s'y prendre pour le respect de cette décision Mais c'est de mettre euh, l'application, hein, c'est de mettre euh, euh, à, l'épreuve hein, cette application-là. Mm-hmm. Parce qu'au Niger, on prend des, des, garde-fous, on, prend des décisions, mais on n'applique pas ces décisions-là. Mm-hmm. Donc il faut que la loi soit, euh, doit sévir sur et ceux qui en vendent et ceux qui en consomment mm-hmm. et ceux qui ont leur club chicha ou club ou je sais pas quoi là. Il faut aller dans chaque recoin, mm-hmm. s'il le faut, de la capitale pour pouvoir voir où est-ce que ces gens se donnent rendez-vous. Mais malheureusement, il y a même ceux qui les ont dans leur euh, maison, leur concession. C'est beaucoup peut-être mettre l'accent sur la vente. Euh, les commerçants qui. C'est ça, je dis, la vente. Mm-hmm, Donc, et, sensibiliser les parents. Sensibiliser les parents. Mm-hmm. parce que tout jeune aujourd'hui qui sera pris, moi je me dis que si on conduit le parent aussi en prison, ça fera école. Donc ça veut dire que ici c'est du laisser aller. Il y a du laisser aller. À un moment donné, je me rappelle, il y avait une décision d'interdire les pétards. Mais <laughs> ça continue. Parce que les, ceux qui en vendent, les commerçants mm-hmm, apportent mm-hmm. et les jeunes achètent. Donc, ça veut dire qu'ici même, il faut mettre l'accent sur la vente. Mm-hmm. tant que, au niveau des douanes et au niveau de, l'entrée de Niamey, tant qu'on vérifie eh bien, on fait bien le travail, je pense qu'on ne pourra pas avoir, euh, même si on aura des brebis galeuses, mm-hmm. ça ne serait pas beaucoup. Mais maintenant, euh, ce qu'il faut, ce qui a lieu de dire aussi, toute cette insécurité résiduelle, mhm. toute cette insécurité que Niamey est en train de vivre aujourd'hui, avec ces jeunes qui arrachent les sacs, qui mhm, font, mhm. Euh, qui tuent, hein, qui vont jusqu'au-delà, qui sont oui, sous l'effet des stupéfiants, stupéfiants parce que tu vas voir un groupe de jeunes qui passent toute leur journée, toute la soirée en train de fumer, mais sont des drogués. Merci bien donc au vous de l'ampleur de, la consommation de cette chicha. Les, autres, les autres villes doivent aussi euh, appliquer cette décision. Nous allons observer une courte pause. sport pour clôturer Paris, la capitale française accueille depuis le vendredi 26 juillet les Jeux olympiques. Le Niger euh, est représenté parmi les 206 nations participantes par 7 athlètes, dont un athlète paralympique dans 5 disciplines, à savoir le taekwondo, l'escrime, le judo, la natation et l'athlétisme. Une seule question à vous tous. Je commence avec vous, Arimi. Euh, quels sont vos souhaits, messages à l'endroit de ces athlètes qui portent les couleurs du pays à ces JO. C'est déjà une avancée que euh, le Niger participe. Euh, bon, le Niger est à sa 14e participation. Mhm. Euh, oui. on a déjà un médaillé d'argent en titre, mhm. n'est-ce pas, la personne de Soufou Al-Faga en taekwondo. Abdelrazak Soufou al donc, euh, on souhaite, parce qu'il n'est pas encore euh, passé, mm. donc on souhaite à ce qu'il parce qu'il est aussi champion d'Afrique en titre mm. de sa catégorie, et on espère que euh, il viendra, nous viendra vraiment avec, notre médaille, parce que notre troisième médaille <laughs> Euh, olympique. Mm. Bon, hier, j'ai vu un Français qui a déjà remporté lui seul trois médailles. Mm. Mais bon, c'est pas la même chose. On ne <laughs> boxe pas dans la même catégorie. Dans la catégorie de euh, Alfaga, si c'est l'Ivoirien, euh, est passé dans cette catégorie-là parce qu'il a pris du poids, il a grandi. Mm. Et donc c'est un concurrent potentiel euh, si Alphaga le, le, croise, on va souhaiter une victoire de Alphaga, bien entendu. Mhm, mhm, mhm. Mais bon, c'est comme le dit Coubertin, l'essentiel c'est de participer, même si moi je ne suis pas très d'accord avec euh, euh, cet adage, mais c'est aussi un adage très en vogue au niveau des Jeux Olympiques. Euh, comme vous l'avez dit, c'est notre 14e participation. Mm-hmm. C'est justement quelque chose déjà euh, que de pouvoir participer. Et il y a déjà un athlète paralympique, aussi. qui va participer mm-hmm. parce que les compétitions des Paralympiques, c'est après euh, les, eux-mêmes. D'accord. Alors, mais vous, quel, quel est votre souhait, mon, souhait c'est que le drapeau du Niger flotte <laughs> Euh, à ces Jeux olympiques déjà que nous avons sept athlètes. Il y a euh, paralympiques. Oui. il y a déjà sept qui sont là-bas. Mm. Et déjà aujourd'hui, il y a une dame, en tout cas euh, la, en natation, mm. qui sera en compétition. Donc, parce que l'équipe est composée de deux femmes, hein, je pense. Il y a pour les 100, mètres, je oui, pour les 100 euh, mètres, Oui, c'est le premier. Oui, la natation aussi, c'est des femmes, c'est deux femmes vraiment. Donc, euh, tous nos encouragements donc à tous les athlètes et nous espérons, même si, euh, en tout cas, les compétitions seront un peu rudes, mhm. mais nous pensons avoir, on garde la foi pour avoir au moins quelques médailles de plus. Ousseini, on termine avec vous. Quels sont vos messages, vos souhaits pour ces athlètes euh, qui représentent le Niger au JO 2024 Le principal, c'est qu'on puisse décrocher des médailles. Et j'ai bon espoir que durant ces Jeux-là, il y a déjà, comme vous le dites, 5 euh, ou six mm. de nos compatriotes, c'est déjà ça, du point de vue de la participation. Le souhait qu'on peut formuler, c'est qu'ils puissent décrocher des médailles et faire vibrer l'hymne de notre pays. Voilà le principal souhait. Merci bien donc euh, Ouseni, on souhaite bonne chance donc à nos athlètes euh, qui représentent le Niger euh, à ces Jeux olympiques et qu'ils nous reviennent avec des médailles. Merci donc, c'est la fin de ce forum de la presse. Merci Memouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Yaba, journaliste à la radio alternative, Ouseni sa journaliste indépendant. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes les samedis et dimanches dès 17h avec l'actu des Jeune suivi de tous à la FADA et les forums à Houssa et Zarma les samedis et dimanches. Je suis Nefis Adam sur la modération. La technique est assurée par Mustapha Huba. Très bon week-end à tous. Au revoir.